Génération FM. Génération FM. Paix et joie. Paix et joie. Jeune Espérance, à travers son jeu scénique, sous le thème Avec Marie, notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix, veut que chaque chrétien prennent conscience du rôle important à jouer dans la construction d'une plus grande justice pour une paix durable dans notre cher pays, le Sénégal. Même avec une vision trouble, l'on s'avise que notre pays souffre de la pauvreté, de l'immigration clandestine, de la violence, du chômage, des difficultés de tout genre, du manque de foi et du manque d'espérance en un avenir meilleur. Face à un tel décor, que nous soyons jeunes, enfants, femmes ou hommes, il revient à chacun de se sentir responsable et de jouer sa partition dans la mission que Dieu nous confie pour l'édification d'un meilleur espace. Et comme nous le dit Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, le verset 27, je cite, Or, vous êtes tous corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Et en cela, nous devons comprendre que c'est tous ensemble et dans une unité parfaite que nous pourrons Arriver à faire régner la justice, l'équité et la paix. Car en effet, si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Nous rappelle également Saint Paul au verset 26 du même chapitre. Et pour cela, la Vierge Marie qui s'est mise la première en marche à la suite de son Fils Jésus-Christ, nous montrera le chemin à prendre pour que tous ensemble, nous marchions pour un Sénégal de justice et de paix. Marie, pour moi je suis là, hein. je viens juste dire que j'ai fait mon choix et il n'y a rien qui puisse me retenir, même si Dieu descend, c'est trop tard. Oui, tu as bien entendu. Je t'appelle Marie, même si je sais que tout le monde t'appelle maman. Mais maman, c'est pour les enfants que Dieu bénit. Alors que moi, dans cette galère-là, je pense même que Dieu, quand il donnait les bénédictions d'Angma Faté, on m'a jeté aux oubliettes. Est-ce que Dieu me connaît même Yalla pourtant malgré qu'une partie de ma famille ne soit pas chrétienne moi, je suis catholique. J'ai fait la catéchèse comme il se doit. Je suis parti à l'université. J'avais de très bonnes notes. Mais tout ça pour rien. Une vie vertueuse. Pendant que nous vie, Je suis pauvre type. Sans travail, sans projet, sans amis sérieux, sans copine. Oui, parce que dès qu'une femme sait que j'ai les poches trouées, elle ne me regarde même pas. Mahala, pas de cheveux faux cils ou faux ongles poche Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Moi, le plus sérieux des sérieux, toujours à respecter mes parents, faire tout ce qu'ils me demandent jusqu'à en arriver là. N'ai-je pas mérité d'être heureux Oui, je t'appelle Marie, plus maman, parce que da am ñi ngay beral lox. L'idée samay je suis frustré au point où tout ce que je fais sur Internet, c'est insulter les gens. Sur toutes les pages, oui. Récemment, même pendant les événements politiques du pays, J'en ai profité pour casser des voitures, saccager les arrêts de bus et surtout voler les passants. Ah, bien sûr, pourquoi les autres pour avoir des choses et pas moi Je vais prendre par force, vu que Dieu a tout mis sur terre. Donc tout m'appartient. Je me sers de mes moments. Voilà. Bref, j'ai pris ma décision je vais prendre la pirogue et aller chercher mon bonheur ailleurs. Vu que depuis lors, avec tout ce que je fais de positif, depuis que je suis petit, il n'a servi à rien. Moi-même, je me demande ce que je fais ici. Des prières inutiles, alors que j'ai déjà décidé de partir. Mais bon, si je suis là, Marie, c'est que j'ai peur. Gourla, Il paraît que maintenant dans les pays là, nous les Africains, on n'a même plus la chance d'avoir des papiers. On nous martyrise. D'ailleurs, dans certains pays, on nous réduit même à l'esclavage. Alors, puisqu'on dit de toi que ton fils ne te refuse jamais rien, je suis là. Au moins, demande-lui que j'arrive en paix et que je trouve du travail et des papiers. Bien sûr, parce que sans papier, moi, kana de au sérieux. Et puis tu sais quoi Je me tire. Tout ça n'est pas sérieux personne ne m'entend jusqu'à m'écouter ba di aussi Jean, mon doux enfant, ne pars pas, reste encore avec moi. Je suis ta maman. J'ai senti ta détresse avant même que tu n'ouvres la bouche. Mon fils a guidé tes pas jusqu'à moi, afin que je te dise à quel point nous t'aimons. Mon doux fils, pendant longtemps tu as su répondre à l'appel de Dieu, sans même comprendre que c'était lui qui te parlait. Pourtant, ton cœur est rempli de joie à chaque fois qu'on te demande de rendre service, à chaque fois que tu pries. Ne sentais-tu pas une douce présence à tes côtés dès ton plus jeune âge Ta réussite scolaire, penses-tu que c'est toi seul qui en es l'auteur Pourtant, souvent tu t'endormais sur tes cahiers, tard le soir, malgré que tes parents avaient des moyens modestes. As-tu déjà manqué de manger une seule fois par jour As-tu déjà manqué de quoi te vêtir Non, jamais parce que Dieu pourvoyait chaque jour à tes besoins sans rien attendre en retour. Laisse-moi te parler de ton homonyme, Saint Jean-Paul II, qui, comme toi, a eu à vivre des moments très difficiles dans sa vie, mais qui a tenu ferme dans sa foi et qui aujourd'hui est l'un des plus grands saints et papes que l'Église ait connus. Dieu l'a choisi afin qu'il communique son amour à tous les jeunes, les rejoignant chacun dans sa condition, pour leur faire comprendre que Dieu aime chacun tel qu'il est. Une autre manière de dire que Dieu traverse chaque situation avec ses enfants, qu'il se plaît à porter dans une solidarité sans faille. Tout le mal-être qui règne, dont tu es victime aussi, est la conséquence des dégâts de l'homme. Il est temps que ça change et que le nouveau monde prenne en compte la dignité transcendante des enfants de Dieu. Et cela ne se fera pas sans toi. Mon très cher Jean, sois patient, car au bout de la patience se trouve le ciel. anakumai walu. Yan witis lo. Daham dina chiger, chikan lai Yo yamane kuga chiyo. دينك سندا يومي تندك والسما Borombi Kisaya mande Bulmabai Mahati Walusima Borombi saillement pour ma baille. Le moom duma la ñaan pour mën a am temps bu rafet daal def set belli ak glow ndax sax ma mën a ci góor ñu instant toutes mes copines passent leur temps à me charrier sans compter les calomnies et leurs propos malveillants à l'égard de ma famille genre nee sama famille elle est trop tubaabe. Hey maman, sonna là vois ma misère je me sens tellement vide tellement mal aimée pas aimée ça y va Eh Hey maman walou Flo, tu sais que je t'aime et mon fils Jésus aussi. Sans parler de notre Père, à qui tu ressembles. Comme il le dit dans le livre de la Genèse, au verset 27 du premier chapitre, Je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. rafet tu sais que si tu ne t'aimes pas tu ne peux pas aimer ma fille aime-toi et pour ça il faut que nga xam sa nous xam yaay kan ak fo comme Yosef ak Moïse qui même au palais savait d'où ils étaient venus sa identité d'art originale et unique donc le ci gëm sa même bu lu quand le Seigneur a parlé à Jérémie il lui a dit je te connaissais avant que tu sois moi ta mère je te dis pareil je veux que tu adhères à ton identité première tu es amour tu es utile tu es belle comme un lys comme moi tu es capable de faire la volonté de Dieu d'accomplir de grandes choses. Sois celle que tu es. Bulmasahadi. masakhadi, xaaddi dara jaral def lu ñaaw weddi yàlla binde, la ak yoon bi mu pour am li mu la dencal na la bul don ki adina bëgg na li le bëgg yow na ba ne te dénature pas. Les artifices peuvent gâcher ta valeur et ne procurent que des plaisirs éphémères. Reçois la paix du cœur par le Saint-Esprit, celui qu'on appelle mon époux, et vis en femme juste, loin de tout jugement injuste. Maman, Yai, Sonona. Je suis fatiguée. Aide-moi à convaincre les parents. Diapole mangiri Nyom ça. sax a na ñu nekk sœur amul ben Aduna. ak li def ci sama J'aurais tellement aimé qu'ils comprennent que peu importe la vocation, nous serons toujours utiles. Ma fille, dans notre position de parents, ce n'est pas souvent facile d'accepter une situation de don de soi. Alors imagine pour nos enfants, n'en parlons même pas. Mais rassure-toi, Dieu scrute les reins et les cœurs, et il juge avec justice. Comme dit Jérémie, il leur donnera par le Saint-Esprit le conseil et la chasteté parentale, c'est-à-dire accepter la liberté de Dieu en toi et dans tes choix au fil du temps, en observant de loin ta vie, ils auront la réelle vision de la vocation religieuse par la grâce de l'Esprit Saint. Quant à toi, demeure obéissante et attentive à leur égard. Toute épreuve édifie nos vies et nos âmes. Que tu finisses par être religieuse, mariée ou célibataire, garde ton cœur dans la paix car le juste mérite salaire. Moi, j'ai dit oui, et je suis resté docile à méditer tout dans mon cœur, jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Et cela, malgré les risques de châtiment dont Joseph m'a préservé par son oui. Alors, je t'invite à prier, comme je l'ai fait avec Lucie, Jacinta et Francisco, à Fatima quand je leur apparus en 1917. Telle est notre vocation première. ce qui dira. Cherchez avec

di waaj a jël retraite waaw waay bu ko jëlee ñun fu jëm ay maman gestuñu sama doom bul ragal dina fortifie-toi dans la prière je te soutiens Mariama mu et avec ma famille j'ai beaucoup perdu, car tu connais notre situation. Maintenant, mes forces me quittent. Aide-moi à réaliser au moins mon projet de construction. Sinon, je serai la risée de mes proches qui disent que ce yaay moo ma doon musuma am Boussoukar mère gestonou. Mon fils, fais confiance à ton frère Jésus. Crois en sa providence. Et Aie foi et demande la grâce de bien vivre avec ta famille, dans l'amour de Dieu et du prochain. Maman Marie, tu es la mère de Jésus et notre mère. Tu veux comprendre moi. Pourquoi tu ne réponds pas aux prières de ma mère Elle te prie beaucoup. Je pense que c'est parce que tu ne réponds pas qu'elle me crie dessus pour tout et rien. Paul ici, elle se dispute avec les gens. Elle dit toujours que le monde est méchant. Sans compter que papa dit aussi je suis sa relève et je dois réussir. Et ne surtout pas lui faire honte. En fait, je veux comprendre. C'est ça le monde et être adulte Jésus lui, pourquoi il ne change pas tout, puisqu'il a eu la victoire sur le monde Gabi, Gabi, tu m'entends Je vois toutes tes inquiétudes. Tu es jeune et trop jeune pour ça. Mais bon, c'est très bien de réfléchir comme ça. On apprend beaucoup aussi. J'ai répondu à ta mère et même à ton Père. Mais il faut comprendre que les grandes personnes réfléchissent beaucoup et souvent ne sont pas bien attentifs à la réponse de Dieu. Rassure-toi, Jésus ton frère va t'aider à rester un enfant modèle et un jeune pétri de valeur qui réussira dans tous ses projets et sera une référence pour le monde car c'est à vous de rester juste et à vous de faire pratiquer la justice en gardant les bons rapports dans la paix et la joie. Donc écoute tes parents, apprends bien à la catéchèse, à l'école également, écoute la parole de Dieu et obéis. Prie beaucoup pour tes proches et le monde afin qu'ils rencontrent et connaissent réellement Jésus. Car il est le soleil de justice et il gère tous les soucis pour que nous soyons dans la paix. Golgothique. wa me yow yaay kan ni ti di dox di dëll di daw di ki di yuuxu mariama mariama mariama man khamu mala muso def dara ci sama life ci sama dund di wax fi xol ma sama xarit di kontan di xawma lan di prière gauche di prière droite man musuma la sentir sama life yow defaloma dara ni def ci suuf bi ma juddoo ba léegi def naa catéchèse mais yow musuma laa xam wanoo ma sa bopp tey ñuy ñëw fii ma laa fi def lan laa fi def rek ci église oh amul luñ ma waxul wax ma succès te du église catholique de ñooñu fi may dem te xam fa laay mujj wax ma avancement wax ma avancement bo amul fenn xaalis bu bëri sama dund liggéey jabar ju baax rafet Mariama nit saint dong la dong dong yow nit dong nga yow yow jëmaloo ma fenn jëmaloo ma fenn te nen ma soxlawu ma sax may confessé wu ci ay simple prêtre man man soxlawu ma ko te yàlla ne fi man may dem di waxal ak ak ñeneen

et attendant la consolation d'Israël. Crois-le, je ne revendique aucune place ni dans ta vie, ni dans celle de l'humanité. Cependant, le chemin de la floraison de l'âme est bien loin des fanfares et des démonstrations. Au contraire, pour trouver Dieu, l'âme a besoin d'être éprouvée en vue de sa sanctification. Ainsi, par des exercices de silence, d'oraison et de consécration, l'âme poursuit son chemin dans un fort désir d'être unie à Dieu. Vanité des vanités, tout est vanité, hormis l'amour de Dieu et son divin service. Tout ce que je veux, c'est que chaque homme soit racheté de la damnation éternelle pour la vie en plénitude dans le Christ, Jésus, sur la terre et plus tard dans le ciel. Aujourd'hui, tout dépend de toi, mais je t'en supplie, ouvre-moi ton cœur et je t'amènerai à mon Fils. Confiance, confiance, confiance. Génération FM. FM. The best radio. Génération FM.